Euh, bonjour, chers amis. Je pense qu'il est temps de vous dire que je parlerai du coronavirus et des virus d'une façon générale. Euh, il y a des solutions naturelles possibles. Même là où le mal a démarré, c'est en Chine, il y en a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de plantes au niveau de cette zone capables de freiner l'évolution de cette maladie. Ici, en zone africaine, il y a beaucoup de plantes antivirales et aussi de plantes à fleurs efficaces contre cette infection virale j'en parlerai incha Quand beaucoup de coow li bari na trop si coronavirus bi mais ñu xam ni na xel yi dal ndax am nay solution bari na même Chine googu mu jugee am na fa ay garab yu koy éradiquer rawatina si fleur yi kon nag balaa yàgg danaa wax di ngeen ma dégg incha allah rabbi ñu dal nag te calme xam ni ni nit ñi yaakaar ni noonu la propagation bi ni mu tasa noonu lay tasaaroo gaawul noonu. surtout ñun africains yi nga xam ne suñu immunité permet na ñu mën a résister virus boobu nga xam ne amul doole danaa ñëw na si bala yàgg si garab yi incha allah jërëjëf